le forum du studio le forum du studio le forum du studio Calam, le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou, bonsoir et soyez les bienvenus dans votre émission quotidienne, le Forum du studio Kalangou. Une émission dans laquelle se font des échanges sur des thématiques importantes de la vie et qui vous permet d'obtenir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez au quotidien. Il s'agit d'une émission que le studio Kalangu diffuse à travers ses 45 radios partenaires qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national du Niger et depuis le 1er octobre sur 5 télévisions partenaires dont 4 euh, à Niamey et une à Zender. Notre forum de ce soir porte sur les thèmes des nouvelles réformes dans l'organisation du baccalauréat au Niger, raisons et moyens de mise en œuvre. Quelles sont les nouvelles réformes qu'envisage le gouvernement nigérien dans l'organisation du baccalauréat pour 2021 Quelles sont les raisons qui motivent ces réformes, quels sont les moyens prévus par le gouvernement pour la mise en œuvre de toutes ces réformes. Auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs, c'est pour vous apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations posées et à bien d'autres que nous avons invité M. Boubacar Mossi Habiboulay, qui est le secrétaire chargé aux affaires euh, sociales au niveau de la section lycéenne écologienne. Et nous avons avec nous en ligne, bien sûr, M. Wissiliman Rassaratan, qui est le représentant de l'Association nationale des parents d'élèves. Nous précisons que pour euh, la tenue de ce forum de ce soir qui porte sur les réformes dans l'organisation du baccalauréat au Niger 2021, nous avons invité le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à plusieurs reprises, mais très malheureusement, nous ne serons pas avec eux dans ce plateau pour la tenue de ce forum, compte tenu de l'absence du ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui n'a pas pu nous désigner un représentant pour la tenue de ce forum. Nous avons également invité l'Office du baccalauréat du Niger, l'OBN, pour euh, la tenue de ce forum de ce soir, mais à plusieurs reprises, très malheureusement, nous sommes désolés de vous dire que nous ne serons pas avec eux sur ce plateau pour la tenue du forum de ce soir. Pour la présentation du forum, Bakim Touré Al Mustafa. 34,42%, tel est le taux de réussite enregistré aux examens du baccalauréat de cette année contre 26,56% l'année passée. Au lendemain de ces résultats, le gouvernement nigérian a annoncé le 2 octobre dernier, au cours d'un conseil des ministres, son intention d'envisager des réformes pour l'organisation du baccalauréat au Niger. En grosso modo, il a résulte de cette annonce que pour l'organisation du baccalauréat nigérien 2021, il sera initié au Niger le système de digitalisation de l'inscription des candidatures, de la suppression du second groupe, la création des centres de correction de copies à l'intérieur du pays et le raccourcissement de la durée des épreuves, ainsi que le repêchage direct des candidats déclarés admissibles. Nos échanges de ce soir tourneront autour des raisons qui motivent ces réformes et les moyens que le gouvernement entend mettre pour la mise en œuvre de toutes ces réformes. Nous débuterons nos échanges de ce soir avec euh, notre invité de la section lycéenne et collégienne, Monsieur M. Boubacar Mossi Habiboulay, qui est le secrétaire chargé aux affaires sociales au niveau de la section lycéenne et collégienne de Niamey. Monsieur, euh, dites-nous, que pensez-vous de ces réformes qu'entend euh, mettre en œuvre le gouvernement nigérien pour l'organisation du baccalauréat en 2021 et qui porte sur la digitalisation de l'inscription, le raccourcissement des durées des épreuves, des sessions, le, la suppression de l'oral, mais aussi la création des centres de correction de copies à l'intérieur du pays. Voilà, euh, merci. Bonjour à tous les agents du studio Kalangu. Merci de nous avoir honorés. Nous allons aussi apporter des éclaircissements que nous avions reçus de notre côté. Donc par rapport euh, à la réforme qui est en train d'être euh, faite, c'est vrai, c'est une information que nous avions reçue depuis mais nous constatons des défaillances par rapport à ces informations. Mhm. Parce que nous avions bien compris, c'est vrai, ces réformes, ils l'ont dit dans leur objectif, c'est pour rehausser les taux de réussite au baccalauréat. Mais nous constatons que ça a aussi des impacts et surtout, ils veulent le faire tout simplement pour acquérir euh, des sommes plus grandioses. Parce que nous avons entendu avec source sûre, nous avons les papiers. On nous a informé qu'il risque d'augmenter euh, la somme du dépôt des dossiers au niveau des établissements publics, au niveau des, des, établissements privés et même pour les candidats libres. Donc, à vous entendre parler, euh, monsieur le secrétaire chargé aux affaires sociales de la section lycéenne ces réformes sont en train d'être envisagées rien que pour euh, l'augmentation euh, de l'enveloppe allouée dans l'organisation euh, du baccalauréat. C'est clair. En tout cas, c'est ce que nous, nous avons compris. Parce que je vous assure, le baccalauréat est organisé, c'est vrai, par le ministère des Enseignements supérieurs, mais nulle part les différentes directions régionales ne sont même pas impliquées et ne savent rien de ce que c'est. Personne ne sait comment les, baccalauréats s'organisent. Personne n'est au courant. Ils organisent ça au niveau de l'enseignement supérieur. C'est des gens, ils sont là plus de 30 ans. Ils c'est qui se réorganisent à chaque fois pour décider sur le sort des élèves. Or, en principe, les gens qui devront être là pour, pour, pour envisager le sort des élèves, ça doit être les gens qui sont en train de les suivre. Mais normalement, nos avec, euh, avec, euh, euh, l'organisation, mm. avec la création de l'office du baccalauréat mm. du Niger, mm. on estime que la situation sera un peu améliorée. Qu'en dites-vous par rapport à ça Si c'est le cas, jusque-là, ça n'a pas commencé. Parce que jusque-là, l'OBM n'est pas en collaboration ici avec la Direction régionale des enseignements secondaires. Parce que hier, nous étions au niveau de la Direction régionale des enseignements secondaires. Nous avons eu à demander euh, au, directeur régional des enseignements secondaires qu'en est-il de ces réformes et qu'est-ce que lui, en tant que premier responsable, pense de ces réformes. Il a dit il n'est au courant de rien. Il n'est au courant d'aucune réforme qui est en train de se manigancer au niveau de l'enseignement secondaire, euh, au niveau de l'enseignement supérieur, autant pour moi. Il n'est au courant de rien. Mais moi, je pense que ils disent normalement, ils ont créé l'OBN. Peut-être c'est pour réunir euh, toutes les différentes couches pour qu'ils puissent organiser les baccalauréats. Mais jusque-là, l'OBN n'est qu'un nom. Jusque-là, c'est les mêmes personnes. D'accord. Donc, euh, merci, merci, euh, monsieur le secrétaire chargé aux affaires euh, sociales au niveau de la section lycéenne et collégienne de l'USN. Nous avons avec nous également monsieur Wissilman Rassaratan, qui est de l'Association nationale des parents d'élèves. Monsieur Wissilman Rassaratan, dites-nous, qu'allez-vous nous dire par rapport à toutes ces réformes que le gouvernement est en train d'envisager pour l'organisation du baccalauréat en 2021. Ces réformes portent sur la question de la suppression de l'oral, la digitalisation de l'inscription pour euh, l'inscription des candidatures, la création des centres de correction de copies au niveau de l'intérieur du pays et également le raccourcissement de la durée des sessions. Que pensez-vous de toutes ces réformes en tant que représentant de l'association des parents d'élèves Bien, salam alaikum. Euh, Monsieur le studio Kalangu pour les efforts euh, qu'il fournit afin de mettre euh, au diapason de l'information qui des droits, parce que euh, c'est le peuple qui est informé. Et nous vous félicitons pour ça, parce que vous nous appuyez dans une autre forme, parce que nous, en tant que structure, que ce soit scolaire ou parents d'élèves, nous sommes euh, les premiers concernés par toutes les questions de la vie de l'école. Ceci étant, cette réforme dont, ou ces réformes dont vous parlez, comme l'a souligné le piston tout à l'heure aussi, euh, nous sommes une structure de parents d'élèves partenaires de l'État. je ne sais pas si officiellement nous avons été saisis. Je n'en ai pas l'information, mais je sais que, effectivement, comme vous, à plusieurs reprises, vous nous avez touchés, et nous avons échangé aussi. Nous savons qu'il y a des réformes qui sont en cours. Et comme l'a souligné Mossi, la mère des choses, c'est d'associer les concernés, les intéressés, les partenaires, pour que l'information puisse être prise en compte valablement et atterrir dans l'oreille polie. Ceci dit, par rapport à ces réformes L'État a ses raisons, mais malheureusement, nous ne pouvons pas vous dire exactement ce que nous pensons de ces réformes parce que les concernés qui sont les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur sont absents sur le plateau. À plus forte raison, nous donner ce qu'ils ont conçu comme document et quels sont les moyens qu'ils souhaitent mettre à la disposition des enseignants et, des concernés. À plus forte raison, donner notre point de vue. Mais nous gardons espoir que en tant que partenaire, nous sommes obligés de comprendre ce qui se passe autour de nos enfants. Et nous allons, quand, euh, il nous serons saisis, nous allons aller vers nos enfants, échanger avec eux, de savoir maintenant quelles sont les réponses que nous pouvons apporter à ces réformes. Et c'est pour eux aussi, c'est pour les moyens. Tout ça, vous savez, l'État, il a toujours cette forme de voir les intérêts qui peuvent, peuvent le mettre euh, à l'aise par rapport à une réforme. Mhm. Mais nous, en tant que parents, nous ne souhaitons que du bien pour nos enfants. Si ces réformes, réellement, réellement, elles veulent apporter des solutions aux inquiétudes des parents, aux inquiétudes des élèves, car cela nous tient. Mmh. Mais je sais que, quelque part, quelque part, c'est tout quand il s'agit de faire un transfert de compétences, c'est-à-dire d'amener, euh, de multiplier les centres à l'intérieur, que ce ne soit plus caporalisé sur le plan national, que ce soit décentralisé. Vraiment, là, nous savons ce quoi quand un enseignant corrige les copies de son enfant, quand un enseignant doit proclamer le résultat, le pourcentage de l'établissement où il enseigne, vous, savez vous-même que ça risque d'aller mal. Parce que euh, aucun, aucun citoyen ne voudra qu'on dise que son taux de pourcentage, son taux de réussite est, nul ou, ou, mauvais. Donc vraiment, la multiplication à l'intérieur, elle mhm. m'inquiète par rapport à ça parce que nous comprenons, nous voyons ce qui se passe au niveau des écoles primaires depuis qu'on a ramené la correction des évaluations au niveau des écoles. Mhm. Chaque école euh, euh, elle fait en sorte que le taux de réussite soit bon. D'accord. Ah oui, merci. Nous avons compris, M. Monsieur Wisliman Rassaratan. Nous allons poursuivre euh, nos échanges. Mais cette fois-ci, avant euh, de poser la question par rapport à tout ce que vient de dire euh, le parent d'élève, Monsieur Wisliman Rassaratan, qui quelque part est inquiet de ces réformes qui sont en train d'être envisagées et surtout vu qu'ils n'ont pas été officiellement saisis par rapport à toutes ces questions, nous allons écouter le secrétaire général du SNEN, e syndicat national des enseignants d'université dans une interview qu'il nous a accordée qui porte sur euh, ces questions des réformes, quand nous lui avons posé la question de savoir s'ils ont eu connaissance de toutes ces réformes que le gouvernement entend envisager dans le cadre de l'organisation du baccalauréat pour l'année 2021 euh, Bien sûr, nous l'avons appris comme tout le monde euh, à travers le Conseil des ministres qui avait annoncé cela. Vous savez, on ne s'oppose pas à des réformes parce que toute réforme est faite après un constat euh, d'insuffisance et pour aller vers une amélioration. Donc le principe n'est pas mauvais, mais quels sont les fondements de cette réforme et Les motifs exposés dans le Conseil des ministres, en tout cas, n'appellent pas à une réforme de ce genre-là. Peut-être que plus loin, le gouvernement gouvernement va nous exposer les véritables raisons profondes qui ont amené à cette. Euh, parce que le fait qu'on parle du nombre de candidats, et bon, je ne crois pas que ce soit un problème pour aller vers la suppression de l'oral. Mais on peut le faire parce que si l'oral euh, ne conduit pas à une évaluation objective des candidats du second groupe, si c'est une étude qu'il a démontré, malheureusement au Niger depuis un certain temps, on ne fait plus d'études pour aller vers une réforme, on ne fait pas l'état de lieu de ce qui est, voir quel est le, quels sont les succès à valoriser et quelles sont les insuffisances. Non, apparemment, c'est un constat à vider et à main levée, on produit des réformes et on, les appelle les unes sur les autres pour aller encore à des regrets. Donc c'est ce que nous craignons pour cette réforme des BAC. Mais pour la suppression de l'oral, si tel est que c'est pour avoir d'emblée le nombre de candidats admis, si ça ne va pas donner aussi l'occasion aux autorités académiques et même politiques à aller vers des admissions fantaisistes, on le sait très bien, lorsqu'ils ont en un seul coup à donner le nombre d'admis, et nous savons de tout temps que ça n'a pas été facile pour eux d'accepter que le taux est bas, en dépit du fait que tout le monde admet que eh, la qualité de l'éducation est très basse. Alors, euh, chers invités, nous venons d'écouter Issouf Ouarzka, qui est le secrétaire général du SNEN, e syndicat national des enseignants euh, du Niger, par rapport à ces réformes que le gouvernement entend envisager pour l'organisation du baccalauréat 2021. Euh, monsieur Issouf Ouarzka pense que si tel est que c'est pour une amélioration, c'est pour permettre à ce qu'il y ait d'emblée le nombre d'admis pour le baccalauréat. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais il souhaite quand même qu'il y ait plus de clarté, que le gouvernement puisse, dans les prochains jours, édifier le public par rapport à toutes ces réformes qu'il entend envisager pour dire les véritables raisons. Alors, euh, avant de revenir euh, à notre invité de la section lycéenne et collégienne euh, de Niamey, Monsieur Boubacar Mossi Habibullah, Nous allons écouter M. Wissilmar Asratan qui est avec nous pour nous dire qu'est-ce qu'il pense de ce que vient de nous dire Monsieur M. Issouf Arzka, qui est le secrétaire général du SNEN, e syndicat national des enseignants du Niger. Eh, très content d'entendre les propos du secrétaire général euh, du SNEP parce qu'ils sont les plus euh, informés et concernés, parce que ce sont les cadres de nos enfants. Et nous ne saurons que nous réjouir d'entendre ce genre de propos quand un responsable d'un cadre de l'enseignement dit qu'il faut plus d'ouverture, comme je l'avais dit tout à l'heure. Effectivement, euh, l'État s'y doit de, nous associer, de nous informer pour que nous puissions encore relayer cette information à qui de doigts par rapport à, nos enfants et aux parents d'élèves. Maintenant, par rapport à l'amélioration, comme il a dit, ça ne tient qu'à à, donner une qualité euh, au diplôme obtenu par nos enfants. Ça, vraiment, elle est la bienvenue, comme euh, je l'avais dit, que, je l'avais dit tout à l'heure, que nous ne sommes pas contre des réformes. elles sont positives. Mais s'il faut faire des réformes pour des réformes et les laisser mourir dans des tiroirs. parce que généralement, on exerce ça. Nous savons vraiment chaque fois préparer des projets ou des, des, des, réformes. Mais malheureusement, l'application devient un problème sérieux, surtout quand nous savons que, comme l'a souligné notre président, au niveau des enseignements, au niveau du baccalauréat, nous, nous allons toujours faire les dresses qui sont nos correspondants souvent dans les régions. Mais malheureusement, ils ne détiennent pas assez d'informations fiables et ils ne sont pas beaucoup associés dans cette organisation comme l'a dit le euh, D'accord. Donc, euh, l'une des craintes du secrétaire général du SNEN, syndicat national des enseignants du Niger, c'est de voir le niveau encore se baisser parce que depuis quelques années, au Niger, il est constaté une certaine baisse des niveaux au niveau euh, des différentes structures scolaires. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces réformes Est-ce que vous partagez la même crainte de voir le niveau vraiment se réduire davantage dans les différents établissements scolaires Vous savez, ceux qui sont sur le terrain, c'est eux qui comprennent ce qui, ce qui se passe. Nous, nous mettons nos enfants entre euh, leurs mains. Nous ne pouvons que faire confiance à cela. Mais je dis qu'à cela nous tienne, nous allons échanger avec eux. Nous allons prendre connaissance de toutes ces réformes, les analyser une à une et voir quelles sont les conséquences de, ces réformes. D'accord, merci. Nous avons compris M. Wissilman Rasratan, représentant de l'Association nationale des parents d'élèves. Nous allons revenir avec euh, notre invité de la section lycéenne et collégienne, M. Boubacar Moussi. Dites-nous, après avoir écouté M. Wissilman Rasratan qui a fait un commentaire euh, vis-à-vis de ce qu'avait dit euh, le secrétaire général du SNEN, e syndicat national des anciens du Niger, par rapport à toutes ces réformes, qui a vraiment des craintes qui, quelque part, félicitent ces réformes si tel est que c'est des réformes qui sont envisagées pour améliorer, pour qu'il y ait euh, le nombre d'admis de manière globale, mais qu'il y a quand même des craintes et qu'il y a des attentes vis-à-vis du gouvernement qui devrait informer, des rencontres avec les partenaires dans l'organisation du baccalauréat pour édifier le public de toutes euh, ces réformes. Que pensez-vous véritablement de ce que viennent de dire euh, nos deux invités Voilà, merci. Donc, je comprends tout à fait la partialité que notre tonton vient de dire, c'est, tout il a tout à fait raison. S'il il s'agit de se prononcer par rapport à ces réformes, il faudra s'y retenir parce que même les concernés, ils ont refusé euh, de prendre part. Parce que moi, j'ai dit qu'ils ont refusé de prendre part. Du moment où vous venez d'informer que ça fait la troisième fois qu'on les convoque et qu'ils ne, ne viennent pas. Je vous dis, par rapport à, ces réformes, qu'on vient de le dire le secrétaire général euh, de, de nous, de notre côté, nous sommes aussi des élèves nous représentons les élèves et quelle qu'en soit la chose, si elle nous avantage, nous l'appuierons toujours. Si ces réformes sont avantageuses à l'endroit des élèves, nous serons tout à fait d'accord avec ces réformes. Mais, j'ai dit mais, Mhm. si au cas échéant, c'est pour des objectifs bien déterminés. Parce que je vous dis tout à l'heure dans mes propos, je ne sais pas si vous avez bien souligné cela, j'ai mhm. dit ces réformes, nous avons des informations sûres et quelles sont ces informations dont vous avez à votre disposition C'est important quand même de le partager avec nous et aussi avec le public. Et ces informations sont des informations qui se sont avérées vraies. Parce que euh, quand on nous a invité à ce plateau, Mhm. Nous nous sommes renseignés par rapport à, toutes ces réformes. à toutes ces réformes. Il serait mieux de s'informer pour venir s'asseoir. J'aurais voulu à ce que les messieurs concernés soient là, mais même s'il n'est pas là, nous pouvons donner des éclaircissements. Parce que nous avions entendu que parmi ces réformes, ils ont un objectif bien déterminé parce que vous savez, jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle, pour les dossiers du baccalauréat, il n'y a pas une somme qui est fixée pour le dépôt. Mhm. Les dépôts dépôt s'est fait gratuitement dans les écoles publiques. Mais maintenant, dans ces réformes qu'il compte faire, il compte donner euh, une somme qui sera euh, prévue pour, euh, les, dépôts des pour les, pour les dépôts des dossiers. Mais nous, cela ne va pas nous avantager. Du moment où eux, quand ils ont eu leur bac, on n'a pas eu à leur demander de donner un frais de dépôt. C'est maintenant, ils vont nous dire de donner des frais. Et c'est une information que je vous donne. Le deuxième groupe, il y aura le deuxième groupe. Donc cette question de suppression de l'oral, ce n'est que... Ce n'est que du folklore ça va se tenir. Camarades vont payer des frais de dépôt. Et nous ne serions jamais d'accord. Et je sais que mon tonton qui m'écoute, il ne serait jamais d'accord à ce qu'on donne encore un frais de dépôt pour le baccalauréat. Parce que ça n'a jamais été fait. Et c'est pas cette année, ils vont l'instruire pour pouvoir euh, faire agrandir leur budget. Leur enveloppe pour l'organisation Pour l'organisation du baccalauréat. D'accord, nous avons très bien compris, euh, monsieur le secrétaire général chargé aux affaires sociales au niveau de la section lycéenne et collégienne de Niamey de l'ISN, que nous allons euh, revenir avec M. Wissilman Rassaratan, qui est le représentant de l'Association nationale des parents d'élèves, pour qu'il nous dise ce qu'il pense par rapport à cette question que vient d'évoquer notre invité, M. Boubacar Moussi Habouballah, qui est le secrétaire chargé aux affaires sociales au niveau de la section lycéenne et collégienne, quand il dit que cette année, il sera initié également euh, une question parce que les élèves seront appelés à payer les frais d'inscription pour euh, le dépôt des candidatures au baccalauréat et que cette question de la suppression euh, du, de, l'oral ne sera jamais tenue comme il l'a dit, je ne peux pas me prononcer sur, euh, quelque chose que je n'ai pas encore consulté, mhm. mais je dis, je reste attaché à ce qu'il a dit, nous serons toujours ensemble. pour défendre nos, enfants, oui. Nous mhm. allons unir nos forces pour comprendre et ensemble dans l'intérêt du pays. Maintenant, est-ce que, est-ce que cette augmentation ou bien cette euh, privatisation de l'inscription peut arranger les parents d'élèves C'est là où je voulais en venir. Mhm. Partir déjà, avec euh, ce que l'État est en train de faire à, travers les, les, mhm. nous, cotisons, même ça, nous sentons beaucoup cela. Euh, maintenant, si aurait bien encore pour demander à un candidat officiel un candidat euh, officiel de payer des frais euh, de dépôt des dossiers, euh, pendant que de l'autre côté, les enseignants qui sont chargés de suivre ces examens, de les organiser et de les corriger, ils bougent chaque fois qu'il n'y a pas d'argent de l'État qu'on leur donne. Et nous, on va nous demander maintenant de nous donner l'argent pour nous demander notre point de vue. Vous voyez comment c'est paradoxal. Pendant que les enseignants-chercheurs qui sont à la tête de ces examens, ils se font la, priorité de, Vraiment, ils sont priorisés, c'est eux qui, qui, sont les responsables de ces examens, des présidents du jury, mhm. c'est toujours des enseignants-chercheurs. Et nous voyons au niveau du bac chaque fois des enseignants qui boutent parce qu'on ne les a pas payés. Maintenant, on va nous dire, nous aussi, de venir encore euh, augmenter ce mécontentement des parents d'élèves qui n'arrivent pas à payer 1000 francs ou 2000 francs de CGDF, mm. on va leur dire à la fin de l'année encore de donner autre chose. Moi, je trouve que vraiment, il faudra que nous soyons réalistes. L'État, c'est l'État. Certes, c'est lui qui voit ce qu'il voit, mais qu'il sache aussi que nous, en tant que parents d'élèves, nous savons ce que nous sommes en train de supporter durant toute l'année et venir nous demander de l'argent à la fin de l'année pour que mm-hmm. notre enfant avoir euh, euh, son, diplôme de baccalauréat, subir des épreuves mhm. à euh, l'étendue du territoire national par l'État. Moi, je crois que là aussi, il faudrait qu'on réfléchisse. D'accord, donc merci. comme l'a dit mon, mon uh-huh. nous allons batailler ensemble, sauf si l'État a raison sur nous. Parce Pour qu'il y ait des éclaircissements. Je ne vois même pas l'objet de notre débat. nous sommes les victimes, mhm. les élèves et les parents pendant que ceux qui décident, les décideurs ne sont pas là pour nous éclairer, moi je mhm. crois qu'il faut revoir cette forme de vouloir euh, garder ce partenariat entre euh, les parents de l'élève et l'État mhm. pour qu'il y ait un peu de considération, pour mhm. qu'on comprenne, le peuple doit comprendre. Quand on invite le ministère des Enseignements supérieurs pour se prononcer sur des réformes qu'il a voulu initier et qu'il ne répond pas, il y a de quoi se poser la question. Malheureusement, après plusieurs invitations, le ministère euh, de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation n'a pas pu répondre présent du fait de l'absence aujourd'hui du ministre de l'Enseignement supérieur qui n'a pas pu désigner un représentant pour la tenue de ces débats. Et également au niveau de l'OBN, on nous a fait comprendre que la personne désignée avait d'autres occupations, donc nous n'avons pas eu l'occasion de les avoir sur ces plateaux. Nous allons poursuivre nos échanges tout en gardant espoir dans les prochains jours, ils viendront pour assister au forum du studio Kalangu. Pour euh, l'heure, nous allons observer une petite pause avant de poursuivre nos échanges. Alors, euh, chers invités, la digitalisation des inscriptions, la suppression du second groupe, autrement l'oral, et la création des centres de correction de copies à l'intérieur du pays, ce sont entre autres les réformes prévues par le ministère des Enseignements supérieurs de la Recherche et de l'Innovation dans l'organisation du baccalauréat pour 2021. Nous allons écouter également l'avis du secrétaire général du SNEN, e syndicat national des enseignants du Niger, avec qui nous avons échangé sur cette question des réformes et qui nous a parlé de la question de création des centres de correction de copies à l'intérieur avant de revenir avec euh, notre invité et euh, notre euh, invité de la section lycéenne collégienne, M. Boubacar Moussi Habiboulay, et aussi M. Wissiliman Rassaratan pour qu'il nous fasse des commentaires par rapport à son interview qu'il nous a accordé sur la création de ces centres de correction de copies à l'intérieur du pays la procédure est bonne parce que tant que ça va un peu soulager les souffrances des uns et des autres, je crois que quand on met quelqu'un à l'aise dans, dans, une procédure, tant que ça n'amène pas, j'ai dit, à la, vraiment à la perte des valeurs réelles de, la chose, on dit que c'est pour éviter le déplacement des examinateurs, mais c'est des, membres du jury. Il y a un sérieux problème. Et pourquoi à l'époque on a amené le brassage des jurys d'une région à une autre C'est pour que les enseignants ne rencontrent pas les copies de leurs élèves et que justement pour éviter cette complaisance et cette subjectivité. Est-ce que en faisant ça, et le ministère a pris les dispositions à insérer dans le, cadre, le cadre réglementaire de cette réforme pour qu'il n'y ait pas justement cette complaisance. Même quand il y a brassage, le Nigérien a su contourner ça pour faire des, inventer des formes de fraude inimaginables et les mettre en œuvre. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas encore juste pour faire de l'économie qui ne va se retrouver nulle part Nous avons vu avec la suppression du certificat ça faisait 1 milliard et quelqu'un dit on va faire une économie d'un milliard. Lorsqu'avec l'économie de 1 milliard, là, le Sénat avait proposé de recruter des enseignants, on nous a dit que ça a été noyé dans le grand budget parce que le ministère des Finances n'a pas prévu ces milliards-là, de l'heure où le ministère de l'enseignement primaire l'a supprimé et ils ont mis ça ailleurs. Je sais que le bac coûte cher et souvent le gouvernement ne donne que la moitié de ce qu'il faut pour organiser un bac annuel et dedans, il demande encore de rembourser ce qu'il a comme arrêté de l'année passée. On ne règle pas un problème en le reportant, on règle un problème en, en l'embrassant et en sachant comment le prendre. Mais de cette façon, souvent c'est une fuite en avant. Nous sommes obligés de croire que c'est une fuite en avant pour supprimer les frais de correction et puis bon, et trouver comment payer facilement le bac. Mais la facilité a un prix cher à payer, et c'est que c'est de retrouver avec des résultats qui ne sont pas conformes à la réalité. Alors, euh, chers invités, euh, nous venons d'écouter M. Issouf Ouarzka, qui est le secrétaire euh, général du SNEN, e syndicat national des enseignants du Niger, qui nous parle de la création de centres de correction de copies à l'intérieur du pays et qui, de son point de vue, pense qu'il y a vraiment de quoi se poser des questions, il y a de quoi avoir des craintes. Nous avons avec nous Limandra Rasratan qui est au téléphone, nous allons l'écouter par rapport à ce qu'il dira à propos de ce que vient de dire le secrétaire euh, général du SNEN, e Syndicat national des anciens du Niger Bien, merci. Euh, vraiment, euh, le secrétaire général a, pris en compte une partie de, mon inquiétude, c'est-à-dire effectivement le fait de, de donner à un enseignant la possibilité de corriger les copies de son élève. Cela ne va pas du tout permettre d'avoir confiance. Je ne dis pas qu'ils sont complaisants ou ils vont être complices, mais il sera très difficile pour un enseignant de contourner la réalité du terrain quand il est avec son propre euh, élève, euh, quand il a la copie de son propre élève. Ça, il faut le reconnaître. C'est quelque chose que nous avons fait, que l'État a initié même sur plusieurs domaines, en prenant un fonctionnaire de, de d'envoyer quelque part à Agadez, et aujourd'hui, dans l'enseignement, on te ramène à ton, élève, ton propre élève pour le corriger. Vraiment, moi, je sais que ça, ça ne va pas vraiment, euh, ça, ça, ne pourra pas éviter qu'il y ait mhm. des sentiments. Ça, il faut le reconnaître. Mhm. Maintenant, par rapport aux moyens, par rapport aux moyens, c'est supprimer les transports. C'est pour supprimer les transports mhm. des, enseignants qui, qui, qui font les corrections. Mais est-ce que si on dit que les enseignants vont rester dans les régions, est-ce que les présidents du jury seront aussi dans les mêmes régions Parce qu'il ne sert à rien de supprimer le transport de certains pour dire qu'on ne va pas envoyer un enseignant et on prend un juriste, un président du jury à Niamey pour l'envoyer à Agadez. Mm-hmm. C'est d'autres moyens quoi. Ce sont tous des cadres d'enseignants. Il faut qu'on soit équitable. Il faut qu'on soit équitable. Que mm-hmm. l'État puisse comprendre que s'il faut investir dans l'éducation pour avoir une qualité, il faut le faire au lieu de le faire dans les, cadres folkloriques. Je ne suis pas contre les autres domaines, mhm. mais quand on dépasse dans d'autres domaines, au, détriment de l'éducation nationale, on revient toujours réduire seulement l'éducation. On touche toujours l'éducation, toujours l'éducation, alors mhm. que l'éducation est le porte-flambeau du développement d'une nation. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas d'accord que cela soit fait. Je sais que je suis un citoyen. C'est mon avis personnel ce n'est pas celui de l'association des parents d'élèves, mais je sais qu'on est en train de blesser l'éducation, on est en train de blesser l'école, on est en train de blesser nos enfants. Donc c'est mon devoir de les défendre et mhm. avec des arguments valables, non pas euh, des, arguments partisans. Je ne suis pas de cet avis qu'on revienne encore vers des complaisances, de diplômes qui seront corrigés par les propres enseignants nous ne sommes pas de cet avis. D'accord, merci. Nous avons compris, Monsieur Wissilman euh, Rasratan, vos craintes et votre souhait pour euh, l'avenir de l'école euh, nigérienne. Il faudrait cesser de blesser l'école nigérienne. Nous allons écouter Monsieur Boubakar Boubacar Mossi Habiboulay, qui est le secrétaire général de la, le secrétaire général chargé aux affaires sociales au niveau de la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce que vient de dire le secrétaire général du SNEN, e syndicat national des Anciens du Niger, et également euh, notre invité qui est avec nous en ligne, le parent d'élève, M. Wissilman Rassaratan. Voilà. Et par rapport à ce que vient de dire euh, le secrétaire général de l'ISNEN, e donc euh, vraiment, j'embrasse l'idée et je dis, je dis bien que ce qu'il dit, c'est vraiment il y, a, il y a une grande partie de vérité. Mhm. Parce que moi, ce que je ne comprends pas, on ne peut pas dire aux enseignants de venir euh, rester, corriger les mêmes copies mhm. de ces élèves. Comme vient de le dire notre tonton, il y aura des inconvénients. Je suis élève, je suis normalement euh, mieux placé pour en savoir. Parce que même dans les classes, euh, il, y a, il y a du favoritisme. Mhm. En plus forte raison, l'examen, parce que l'examen doit être donné à qui de droit. Mhm. Si tout le monde sans complaisance aucune. sans, sans, aucune complaisance. Sans, si tout le monde arrive à, à bluffer pour avoir euh, le baccalauréat, je ne vois aucune utilité de ces diplômes. Mhm. Je dis bien que s'il s'agit de faire laisser les enseignants dans les différentes régions d'où ils sont, c'est aussi une bonne idée, mais s'il n'y a pas des inconvénients. Moi, je sais qu'il peut y avoir des inconvénients. Et je pense très bien, et je le dis si les enseignants restent et que on fait la correction des copies et que c'est ces mêmes copies que les enseignants corrigent les copies de ces élèves, il y aura de l'impact. Mmh. Et par rapport euh, au jury, je vais revenir sur ce point. C'est un point très très important mmh. que notre tonton vient de souligner quand il disait dans ses propos qu'il n'est pas, qu'on ne comprend pas et qu'on n'acceptera pas à ce que on dit à un président de de Niamey de quitter Niamey pour aller par exemple à Dourkou ou à Difa mhm. pour être président du de là-bas. C'est des transports qu'il va faire lui aussi. je ne vois pas de l'équité dedans en mhm. fait. S'il euh, s'agit, j'arrive, s'il s'agit à ce qu'on accepte, tout le monde doit rester dans sa région, même les présidents du jury mm. vont rester dans la région et que le budget là parce que dans tout ça là, dans toutes ces machinations, c'est juste pour aller, pour trouver là où on peut grignoter, pour avoir un peu, pour pouvoir les mettre quelque part. Parce que, comme vient de le dire de on sait très bien que l'organisation du baccalauréat, la somme qui est destinée à l'organisation du baccalauréat, elle est très peu, elle ne peut pas suffire pour qu'on puisse organiser le baccalauréat en bonne et Mm On n'en disconviendrait pas à ce qu'on fait, on trouve des solutions pour pouvoir gérer d'autres solutions. Mais il faut aussi le dire, on ne peut pas bloquer, on ne peut pas reporter d'autres solutions pour gérer d'autres solutions. S'il s'agit de gérer les solutions, il faut les gérer en toute équitabilité. D'accord, merci. Moi, uh-huh. moi c'est ce que je pense et je l'ai dit. Vraiment, il y aura des inconvénients si les enseignants restent dans les différentes régions pour pouvoir corriger les copies de ses, et de élèves. Merci, monsieur, monsieur Boubacar M. Habiboula. Nous avons écouté votre avis. Nous allons, avant de terminer notre euh, émission, écouter de, à nouveau le secrétaire général du SNEN e sur les mesures à envisager pour accompagner ces réformes dans l'organisation du baccalauréat c'est que cette réforme-là, il ne faut pas qu'elle soit unilatérale. Malheureusement, ça fait quelques années que le gouvernement, sur beaucoup d'aspects de la gestion du système éducatif et sur toutes les questions sensibles, euh, s'est engagé dans une, euh, dans une euh, démarche unilatérale et de, de réflexion parce qu'ils estiment que peut-être ils ont assez de techniciens pour réfléchir. Et j'informe ceux qui ne savent pas que eh, le plan quinquennal de l'éducation a été fait sur, les réflexions, sur la base des réflexions faites par le syndicat national. Le premier plan quinquennal de l'éducation qui a installé le système éducatif a été fait par des syndicalistes. Pourquoi Et nous avons continué à contribuer dans certaines réflexions. Pourquoi ces derniers temps-là, on a tendance à croire qu'il eh, faut banaliser tout le monde, considérer qu'on n'est pas en tout cas assez intelligent ou bon, euh, nous ne sommes pas euh, dépositaires du pouvoir régalien de la gestion, de la du système éducatif et qu'il faille faire euh, sans les enseignants. Donc pour éviter encore qu'on tombe dans des, pièges de telle envergure comme on l'a vu précédemment, il faut vraiment appeler les acteurs pour qu'on s'assied véritablement. On rate cette sortie du bac, c'est qu'on va rater nos futurs ingénieurs, nos futurs docteurs, nos futurs instituts. Si euh, secrétaire général du SNEN, syndicat national des enseignants du Niger, M. Monsieur Issoufou nous allons écouter ligne Monsieur Wissiliman Rassaratan, qui est de l'Association nationale des parents d'élèves. Dites-nous, nous sommes presque à la fin de notre émission de ce soir, qui porte sur les réformes dans l'organisation du baccalauréat au Niger 2021. Dites-nous un mot à titre de perspective à propos de ce que vient de dire le secrétaire général du SNEN. Euh, la perspective, euh, vous savez, pour toute réforme, on ne peut pas du coup la, condamner ou l'applaudir tant qu'elle n'est pas en application. Mais son application aussi, c'est là, là où je voulais en venir, cette perspective, c'est d'associer les, les, concernés. Mhm. De la même manière que l'État nous réunit quand il y a des situations, les partenaires de l'éducation, nous, nous, nos perspectives pour ça, c'est effectivement de vulgariser et de sensibiliser et d'étendre le sens le contenu de, cette, euh, de, ces réformes pour que l'opinion nationale et internationale puisse prendre connaissance de son euh, intégralité. Et c'est ainsi seulement que nous allons apporter nos, perspectives ou, notre avis qui peut en fait faire de cette réforme euh, une, une réforme positive. Mais pour le moment, les perspectives, les moyens l'État, s'il il, il, tient à cela, il n'a qu'à mettre les moyens, pas les seuls moyens financiers, mais c'est les moyens euh, logistiques et les moyens aussi de compréhension de partenariat entre euh, les différents euh, concernés, de l'école. Je parle de la structure des parents d'élèves, je parle de la structure de, l'ISN, je parle de, de, tous les enseignants pour que nous puissions vraiment ensemble s'asseoir et comprendre et donner une directive à l'ensemble de ses partenaires pour que l'État sache que euh, l'éducation ne nous revient pas lui seul. L'éducation, ça revient au peuple. D'accord. À la base. Voilà. D'accord. Merci, merci, monsieur. Conscience que chaque fois qu'on indique que l'État prend des, mesures et qu'on indique l'État, l'État n'a qu'à répondre. Parce ah. qu'il ne sert à rien, nous, de nous faire venir et parler dans les D'accord, merci Monsieur Wisliman Rassaratan. Euh, nous allons écouter un dernier mot du secrétaire euh, chargé aux affaires sociales de la section lycéenne et collégienne avant de conclure. Voilà, et c'est vrai. Nous aussi, nous allons dire de notre côté, par rapport aux perspectives, nous souhaitons vraiment les partenariats. Il faut appeler les concernés. C'est les concernés qui savent ce qui se passe réellement sur le terrain. D'autres sont dans leur bureau, ne savent rien de ce qui se passe de l'éducation. Il faut appeler les parents de d'élèves, il faut appeler euh, les syndicats des enseignants, il faut appeler l'Union des scolaires nigériens. Merci. Parler et avoir des solutions par rapport à ces personnes. Il ne sert à rien de prendre des, décisions unilatérales. S'il faut prendre des décisions, il faut réunir tout le monde. Pour merci, merci, merci, merci, monsieur euh, Boubacar Mossi Habiboullah, secrétaire chargé aux affaires sociales de la section lycéenne et collégienne. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du Studio Kalangou qui nous a permis d'échanger sur la thématique des nouvelles réformes dans l'organisation du baccalauréat au Niger pour 2021, raisons et moyens de mise en œuvre. Nous avons retenu dans ce forum qu'il faudrait créer les conditions de réunir les différents acteurs qui interviennent dans le domaine de l'éducation, informer, édifier le public par rapport à toutes ces réformes qu'entend envisager le gouvernement pour l'organisation du baccalauréat 2021, en espérant que le forum vous a permis d'avoir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez quotidiennement. Nous étions dans ce forum avec M. Boubacar Moussi Habiboulaye, qui est secrétaire euh, chargé aux affaires sociales au niveau de la section lycéenne et collégienne de Niamey. Nous étions avec euh, Monsieur M. Wissiliman Rasratan, qui est de l'Association nationale des parents d'élèves, qui était avec nous en ligne. Nous rappelons que nous avons invité le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à deux reprises, mais qui, à la dernière minute, nous a fait comprendre que le ministre était absent et n'a pas pu désigner quelqu'un qui pourrait représenter les structures au niveau du studio Kalango pour la tenue de ce forum. Également, nous avons invité à deux reprise et euh, à plusieurs fois nous l'avons appelé l'office du baccalauréat du Niger qui n'a pas malheureusement été présent pour la tenue de ce forum pour cause, l'invité, la personne qui a été désignée, a eu d'autres occupations, selon les dires du directeur général de l'office, Bakimbo Touré Al-Mustafa, à la présentation. À la régie technique, nous étions avec Issa Lawali. Merci et à bientôt pour un autre forum sur de nouvelles thématiques.